C'est personne d'autre que lui. Maintenant, chacun a le droit de dire j'ai envie de me présenter, mais on ne peut pas dire de mon n'est que président, mais qui n'est pas écarté. D'accord. Ça, on ah, le comprend parfaitement. Légui, euh, DG, ndax kaddu yi mu wax gis nga ci respect ci envers la justice ci ñi nga xam ni ñooy suñu euh, ñooy suñu justice su réew. gis nga euh, bëgg taxal nit hein nous sommes capables de ce qu'on appelle faire des discernements Ousmane Sonko a dit que dans la justice il y a des magistrats qui sont honnêtes qui sont justes donc ne dis pas qu'il a manqué de respect à la justice Liamfi, tu penses que toute la justice est d'accord est-ce que tu penses que toute la justice de ce pays est d'accord tu as des magistrats dignes qui se taisent il y a beaucoup de problèmes dessus mais ce complot il est flagrant il est grotesque l'objectif c'est de dire qui Bombok. Comment on a fait pour Khalifa Sall, comme on a fait pour Karim Wad, c'est pas autre chose que ça. Mais, mais, mais directeur, vraiment, man aussi, amna yo xam mënu mako comprendre. D'accord, mën comprendre ce pété ak Ousmane Sonko. Dédé, ah ah, do affaire pété. Non, si, si, faut non non parce que bo bëggé bok ci ñi wax waxu compolo, man lool mënu mako comprendre duma la ko nangul. Mënu mako comprendre ci lool man. Par exemple, li bo si tout tuddu kompolo, mënu mako comprendre. L'affaire Sud Bouti, nga bëgg tout du Kompolo mais loolu kan moo ko comprendre. mais yow ne ko pas comprendre c'est un complot grotesque c'est-à-dire c'est même pas un c'est un complot grotesque mais attends t'as pas t'as pas suivi toutes les déclarations de cette fille Tu t'as pas écouté tous les audios yow déglu loolu man waxuma loolu hein. mais c'est un complot. après c'est un complot vidéo yi maa ko après non non des deux après tu es un journaliste tu dois être le premier à te renseigner avant d'avancer des choses comme ça je te dis c'est un complot grotesque directeur li wax lu c'est-à-dire les wax audio yi man ko après plainte bi laa ko mais tu viens de me dire que man lan moo may complot grotesque il faut que tu sois cohérent toi aussi tu peux pas me dire que tu viens de les écouter et tu viens me dire après tu ne comprends pas pourquoi j'ai dit que c'est un complot grotesque c'est un complot grotesque du début à la fin l'objectif c'est simple Qui c'est terminé cette affaire il faut une réponse politique à ça on a donné les preuves, on a montré tout, on a montré le rapport interne de la gendarmerie. Il y a tous les éléments qui montrent que l'objectif est clair, qui boum C'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il te plaît, dama lay ñaan qu'on avance dans le fond ñun fan la ñu jëm lan moo tax le mais nous ñaan yàlla réew mi bañ a li nga bëgg wax. li nga am mais bala ñuy egg ci lolu nañu régler li ba problème. ba parce que Ousmane Sonko bu taxawé ni magistrat bu nek nañu tek armée buntu kërëm mais Papa Ngagne il faut arrêter. de dire nga bëgg ñu dégg lolu yow. déedéet ah, ah, ah, dafa ne lan nga bëggo ñu wax dafa ne lolu dafa né gàtt sa gas na. ça veut dire que du ma bàyyi ñu may pamti pamti comme ni ñuy pamti pamti Karim Wade yow ya ko dégg mu wax lolu montre-moi un élément. qui dit que Ousmane Sonko moné j'étais au meeting. montre-moi un élément factuel gis nga. non non non non DG da ngay wax lolou échappé na la. déedéet su la ko waxee non si DG. génne non DG. Ousmane Sonko moo ne magistrat bu nek nañ technique buntu kër. mais maa la wax li arme je précise bien. et c'est c'est dommage qu'on en arrive dégg lu c'est dommage qu'on en arrive à ça quand on arrive dans un pays. où le président dit. lolou mo grotex lolou mo grotex gros texte. déedéet déedéet lolou mo graaw mais tu peux m'écouter s'il te plaît. ah bien sûr. mais yow dégguloo loolu quand on arrive dans Sénégal musul am loolu. Quand on arrive à un point où le président dit au magistrat, je vais vous protéger, c'est qu'il y a un gros problème. La magistrature de ce pays n'a jamais eu ça, même dans les temps les plus difficiles avec l'assassinat de Metzey. Il faut des réformes de fond. Il faut des réformes de fond pour qu'on ait une magistrature indépendante. Quand le ministre de la Justice se lève, dit que Macky Sall va nous présenter, 2004 nous présenter par force, sachant qu'il est en train de violer la constitution de ce pays. Tu penses quand tu as un ministre comme ça, tu peux dire que la justice de ton pays est fiable pour certaines personnes. Ousmane qu'on n'a jamais dit. Le mot Il y a des magistrats. Mais, mais, grand, xam nga aussi. xam nga par exemple nous var la après. ne la affaire baa ngi pas le temps te sais que ni la régie parewul ci loolu mais ce que la veux expliquer c'est euh, que Ousmane Sonko mo wax li mala la wax ni Papa Ngagne wan ma Ousmane Sonko bu mu ne. d'accord nañu armée devant la maison de chaque magistrat montre-moi ça. d'accord d'accord d'accord d'accord d'accord amul amul problème légui lima lolu, lolu, lolu, lolu, lolu, lolu, amul problème légui mën naa la ko nangul. ba peut-être ñu am benen occasion. xam non non du mën nga mako nangul c'est la vérité. moy deug d'accord musu ko wax. alors gis nga gis nga. Euh, gis nga deuk xam nga lu ko yor. waaw gis nga deuk xam nga lu ko yor. ce sont c'est le respect de l'ordre institutionnel xam la ordre institutionnel mooy nga instrumentaliser justice tu fais ce que tu veux regarde ce qui s'est passé avant-hier à l'Assemblée nationale moi je dis c'est un banditisme républicain regarde ce qui s'est passé avec la fille Nibi on s'organise très vite on met deux députés en prison ñu ne de feu les gens disent nous def contre-prise vérifier de feu ëmb ou pas on dit l'affaire est déjà jugée on n'en parle plus tu penses que ça c'est normal Tu penses qu'on prend des jeunes, on les met en instruction, on les met en prison pendant 7-8 mois, il y a où souvenez le gain de l'indemnité non défaut l'indara. Mais mais mais mais mais Tu penses que ça c'est normal Mais, mais directeur, lolu ngay lolu fofu nga yem ah, affaire bi du lolu rek hein. Li ngay wax ni ci ci ci ci Ami Ndiaye ñi bi lolu hein. Ah. Lan la dafa am dafa am dafa am coup de pied, dafa am wéq ci biir ci jigéen. dafa am mbéj ci jigéen pourquoi waxuloo loolu. dafa am mbéj ci jigéen. yéex ci jigéen ayant déglul non non dañuy dem nank-nank. la première chose qu'il faut que vous c'est-à-dire si vous étiez cohérent il faut dénoncer ce qu'on appelle l'instrumentalisation des femmes Nibi, mais qu'est-ce qu'elle a fait Baloloam, photo député quand tu prends dit ça, qu'est-ce qu'il y a c'est encore une femme qu'on instrumentalise c'est-à-dire vous n'allez jamais dans le fond des choses vous êtes toujours très superficiel dans ce que vous dites Lolo le problème il faut avoir le courage de dire la vérité à celui qui est en train de, de, de violer l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Tout le problème de fond, il est là. bon directeur l'enseignant, dafa am je répété léegi muy saga. ma dégg ko. ci sa saaga. ma dégg ko ci sa je ne sais pas, xam mooy gàtt sa gàtt sa saaga mënu ko paase. dama dégg nga ko saga. sa sa qui reçoit le plus gros insulteur de ce pays à Paris demandez la laaj déedéet ah ah Papa tu n'es pas cohérent du tout. allez-y qui reçoit le plus gros insulteur qu'on appelle Californe à Paris qui. Qui le reçoit Le plus gros insulteur de ce pays. Il faut qu'on soit sérieux un temps soit peu dans ce qu'on fait. surtout presse de et vous ne le faites pas du tout je suis désolé de te le dire vous ne le faites pas du tout tu peux me parler de ça Gatsa, ça, Aksa ça. yu bon bon nga recevoir à Paris To, nan man maa lay défendre loolu qui, ça, c'est un appel d'air pour dire à tous les jeunes, ça, Mais Lancelin, c'est-à-dire, waxuma waxu Californie. loolu liñ ci yow ya fi indi gat sa gat sa saaga mais loolu la ci lay ñëw dama ci damay ñëw préciser ko c'est-à-dire dama ni yow ngay répéter saga yooyu yow gat sa gat sa yow nga di ko répéter yow Saga bob nga di ci dellu si waat papa gañ gat sa gat sa lu muy signifier dama la ko laaj Gatsa gatsa, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, non, non. Dédé, ah, ah, gatsa gatsa, c'est œil pour œil, dent pour dent. Olof, Olof, Olof, Olof. Papa allons dans le fond des choses. Li défendant nous d'accord, parce que euh, compréhension bien, compréhension bi nga mais affaire saaga Sénégal kenn waru ko wax ku dul ñële lañ ko war a jiiñ du kenn ku dul ñoom tu reçois un insulteur public connu de tout le monde yow nga bëgg naan ma Ousmane Sonko saaga Ousmane Sonko ni nga ko xamul saaga tu l'as jamais entendu prononcer de gros mots Qui li mu daj bu doon benen sénégalais moko ko daj defe naa boo ko ci wara mandu. d'accord alors mais euh ma la déggee nga bëgg apprécier gatt sa gatt sa lol vraiment dina am ci mbattel mais Pape mën nga ñaawlu li Californie def man nga ko ñaawlu keneen mën na ko ñaawlu mais kaddu yu mel noonu nga taxaw di ko wax ci réew mu mel nii. tu ne va nga taxaw di ko wax tu ne va pas me donner de leçon de morale gatsa gatsa mooy œil pour œil dent pour dent on va pas se laisser trimballer manipuler dugal kaso fàtte la fa. loolu du am le fond de fond il est là c'est tout mais c'est ce que moi je ne comprends pas yéen ñëpp en général je vous comprends pas du tout da ngeen di gis lu ne fang ngeen boo ko jël def ko leneen mais ça ne sert à absolument rien. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous parlez entre vous. Les Sénégalais, c'est ça le problème de fond. Quand Ousmane Sonko dit le 31 décembre, tout le monde se lève, Feugko. Avec ça sert absolument à rien. On peut acheter toute la presse, on peut acheter tous les influenceurs, ça sert absolument à rien. Sénégalais, ils sont et ça ne fait que renforcer ce garçon-là dans ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, je pense que c'est lui la solution de ce pays. D'accord. Alors, directeur, quand vous nga ci ñi koy wax ni procès bi. Procès à Sarr. On peut pas non, doucement. Nous avons ce qu'on appelle des conseillers. Nous avons des avocats. C'est à eux qu'après tiennent la décision de dire ndax dañuy dem procès ou duñ dem procès. Mais mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais directeur. Wow on n'a pas de position arrêtée sur ce sujet. Nous avons des avocats, nous avons des conseillers, nous avons des top nous avons des def. Ce procès n'a même pas de sens. Je te dis, on n'aurait même pas dû sortir de l'enquête préliminaire. L'objectif, c'est clair, c'est de dire qui le bok. C'est tout. OK. Alors, Sonko wax na terminus bi paré Mais procès bi paré na ni Il n'y a plus rien à dire. On a apporté toutes les preuves toutes les preuves que c'est un complot grotesque, les gens ont dit on va en chambre criminelle. Mais on a fini avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus mais man lu ne fang kenn du ko jeex lu bu ma la nee dafa marron nga ne ma marron wul nga bëgg ñuy kon ne di ci wax ça va servir à quoi du ma ci waxati ça sert absolument à rien dama lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi qu'on parle du fond qu'on parle du fond fan la ñu jëm defe naa dan moo ñun

ñooy génn ya wóor na ma sa kër say jarbaat ñu ngi taxawaalu di attaaye gu dégg ak amuñu ben avenir ñun suñu xalaat moy xale yi seen avenir du daga dawal Jakarta seen avenir moy leur trouver des emplois décents dama bëgg ñu waxtaan ci loolu naka lañu wara def ak li fi am. mais loolu lu am solo la. li nga wax je suis entièrement d'accord ak loolu moo xam nga pourquoi ma d'accord ak yow ci loolu. Hmm. loolu dafa am solo. mais xam nga lan la d'accordul nañu dem ci résistance pare génn leen taal leen leen. Papa Ngagne bu superficiel yow tamit allons dans le fond waxul loolu dafa ni on résiste il a parfaitement raison da nga bëgg dal Karim Wade dal ko da nga bëgg dal ah, Khalifa Sall dal ko duñ ko nangu ça ne peut pas arriver mais allons dans le fond des choses c'est ça que je veux qu'on fasse toi et moi. d'accord d'accord légui dinañ dem ci lolo. alors tout à l'heure dafa am ben question boo ma laaj ma est-ce que sa xel teeyul ci procès mambay bi ni mu gaawé dag ma laaj loolu man sama xel ci limu mu moy ñu accuser le lu toll ni viol bàyyi nga dem sa yoon nga am liberté c'est-à-dire gam contrôle judiciaire nga dem man loolu la sama xel tey c'est-à-dire da nga ma question man ci loolu la sama xel tey lancé na sama xel teyul ci li nga expliqué nii mën na am sama xel tey na ci mais li sama xel gën a tey mooy lii nga xam ni am na ñu accusé la lu toll ni viol ak lu mën a xew xam nga dégg nga gis nga ñu bàyyi nga dem sa parce que dañu xam ne seen lii c'est un complot grotesque teguñu ko fen, c'est aussi simple que ça surtout c'est aussi simple c'est c'est c'est-à-dire, ils sont tellement tournés que même complot, ils ne peuvent pas le faire. En fait, c'est ça qui est grave dans ce pays-là. C'est-à-dire, ils sont tellement tournés. Ah, c'est-à-dire, ça ne devait même pas sortir de la, section recherche de la gendarmerie. Parce que Parce que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Malheureusement, ce qu'il a fait, il a réduit les problèmes économiques de ce pays à leur plus simple expression. Mais est-ce que opposant lui prêtait où le flanc Il n'a pas prêté le flanc. Pourquoi il a prêté le flanc Pourquoi il ne peut pas aller là-bas se faire masser C'est son droit le plus absolu. Moi, je vais me faire masser quand je veux, où je veux. C'est aussi simple que ça. Tu salon de massage, Mais bien sûr. Salon, Pourquoi pas Ça du genre sud